Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité au programme de Studio Kalangou. Bienvenue à tous dans le forum de la presse de ce vendredi 11 août 2023, le rendez-vous hebdomadaire de Studio Kalangou qui décrypte l'actualité de la semaine. Cette semaine, les sujets qui ont dominé l'actualité s'articulent autour de l'évolution de l'arrivée au pouvoir du CNSP. Ensuite, il sera question de la hausse de prix des denrées alimentaires constaté ces derniers jours dans tout le Niger. Enfin, la reprise le, lundi 7 août de l'épreuve de mathématiques par les candidats admis comme refusés de la série D de mathématiques au baccalauréat 2023. Les premiers résultats commencent à sortir. Pour commenter et analyser tous ces faits, j'ai le plaisir de recevoir dans ce studio Madame Maimouna Diado, elle est journaliste indépendante. Bonsoir. Bonsoir, Nafisa. Arimi Bachari, journaliste à la radio Alternative. Bonsoir. Bonsoir. Ousseini Issa, journaliste indépendant. Bonsoir. Bonsoir, Nafisa. Je suis Nafisa Adam Sirfouala, la modération. Bonsoir à tous et merci de nous suivre à chez vous pour ce nouveau numéro du Forum de la presse. Deux semaines après le coup d'État intervenu au Niger, les faits se sont évolués. Le ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères a procédé à l'évacuation des ressortissants français et de l'Europe vivant au Niger suite à des incidents enregistrés à l'ambassade de France à Niamey le dimanche 30 juillet lors d'une manifestation de soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP. Ensuite, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le général Chani Abdrahman, a mis fin par décret aux fonctions de quatre ambassadeurs du Niger accrédités en France, aux États-Unis, au Nigeria et au Togo. Des changements ont été apportés au niveau de la gendarmerie et de la garde nationale qui ont chacune deux nouveaux responsables. Le couvre-feu instauré après la prise du pouvoir par le CNSP est officiellement levé. L'espace aérien est fermé à compter du dimanche 6 août 2023 pour tous les aéronefs jusqu'à nouvel ordre. Ce sont là, entre autres faits, qui ont qui sont intervenus après le coup d'État du 26 juillet. Je commence donc avec vous, Meymouna Djadou, Comment vous appréciez l'évolution des faits après les événements du 26 juillet euh, Merci, Nafisa. Comment est-ce que j'apprécie l'évolution euh, des faits euh, du coup d'État donc intervenu le 26 juillet, c'est que tout marche normalement, tout fonctionne normalement, puisque... Pourquoi Qu'est-ce qui marche selon vous Qu'est-ce que je, dis Parce que quand vous regardez, déjà, c'est la gente a eu d'abord euh, à faire euh, des rencontres avec les acteurs euh, socio, de ce mhm. pays, mhm. pour d'abord euh, leur dire euh, le pourquoi d'abord de, de, ce coup d'État. Mhm. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'il a appelé d'abord les secrétaires généraux des ministères pour leur dire que euh, de continuer à travailler, la relève de, continuer cette relève-là. Mhm. N'est pas question, en tout cas, de mettre en cause ces ministères-là, parce que tout simplement, c'est un coup d'État. Donc, ça aussi, c'est à féliciter. Mhm. Et ensuite, euh, l'évolution qu'on donne, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés à un moment où, euh, déjà, ils ont, euh, il vient justement de nommer mhm. le, tout nouveau, le tout nouveau gouvernement, les membres du gouvernement après la nomination des gouverneurs, euh, maintenant c'est la nomination du Premier ministre mhm. euh, du nom de la Cette fois-ci, c'est les membres du gouvernement. Mhm. Et les membres du gouvernement, comme vous avez vu, il y a certains paramètres qui ont été ajustés, cest à dire certains ministères qui se sont retrouvés regroupés dans un seul ministère, comme le ministère euh, de l'Éducation nationale, mhm. qui aujourd'hui a trois portefeuilles. Et je m'en félicite aussi, puisqu'ils n'ont pas laissé, en tout cas, les femmes. Euh, <laughs> oui, oui, les femmes ont, quand même quatre postes. Mm-hmm. Et c'est déjà bon. Mm-hmm parce que le poste de l'éducation, c'est une femme qui, qui dirige ça désormais. Oui, oui, stratégique. Euh, le poste également de le ministère euh, des catastrophes, gestion, des, catastrophes, On mhm. pense que la femme elle est mieux pour gérer mhm. certaines situations. Mhm. Euh, c'est déjà bon aussi. Et il y a les deux autres ministères, à savoir la fonction publique et également le ministère de l'artisanat, où déjà je m'en félicite, c'est vraiment elle est jeune et elle représente aujourd'hui la jeunesse. Donc il faut croire à tout ce qu'il faut faire, il faut croire aussi à la jeunesse. Et c'est la première fois qu'on voit que c'est une dame de 28 ans, en tout cas, qui a été nommée ministre. En tout cas, les populations se sont résignées. Euh, il y a des manifestations de soutien un peu partout, mhm. et comme ils ont l'habitude de le faire, quand on fait un coup d'État, normalement, on a besoin d'être épaulé par cette population, et mhm. c'est ce qui est en train d'être fait. Mhm. Et non pas parce qu'il faut épauler ces militaires, mais on parle de la sauvegarde de la dignité d'un pays. Parce que pour, nous, pour le développement d'un pays. et pour nous, Nigériens, on pense que le moment est arrivé, en tout cas pour, faire, euh, pour, pour se retrouver pour aller dans la même direction, regarder dans la même direction, pour, parce qu'on a une seule patrie ici, c'est le Niger. Mm-hmm. Et on a intérêt à se mobiliser autour donc, de ce pays-là. voilà pour que les choses marchent bien. Tout marche bien selon Maimouna Armi. Justement, de la nuit du mercredi au jeudi 10 août, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie euh, a publié la liste de son gouvernement, un gouvernement euh, de 21 ministres, dont des civils et des militaires. Et c'est Lamine Zen Ali, qui est à la fois le Premier ministre et ministre de l'économie et des finances, qui dirigera cette équipe. Vous, comment vous avez accueilli cette information euh, Écoutez. La mine zen, bon, euh, il est connu, hein, parce que nous, l'avons déjà pratiqué, je dirais, en tant que Nigérien ou en tant que ministre aussi de, des, Finances, n'est-ce pas <coughs> Contrairement à beaucoup euh, mhm. qui se sont succédés ces derniers temps, on n'a pas entendu parler vraiment euh, de débordement on n'a pas entendu de scandale à, son, à sujet. Mm-hmm. Et de tout temps, c'est quelqu'un quand même qui a été euh, présenté comme étant euh, un bon cadre du ministère des Finances, mm-hmm. un euh, cadre chevronné. c'est lui qu'ils sont allés chercher. à un moment, les gens ont laissé circuler la, rumeur selon laquelle il ne viendrait pas. Mm-hmm. il, est, bel et bien là. En fait, c'est dire que euh, malgré toute la psychose qui a prévalu euh, depuis l'arrivée du CNSP au pouvoir, euh, la pression ne les a pas divertis, on dirait. Mmh, mmh, mmh. oui, en place le gouvernement. Et cette semaine, la deuxième semaine est beaucoup plus calme, il mhm. faut le souligner, mhm. que la première semaine qui était très agitée et les Nigériens ont vécu euh, un peu sous la psychose vraiment d'une intervention euh, extérieure. Mhm. Bon, moi, euh, j'ai présenté que c'est une pression. Je crois que c'est quelqu'un qui fait à défaut de dire l'unanimité, vraiment, il engrange la moitié, vraiment plus de la moitié des Nigériens qui sont d'accord euh, mhm. euh, pour qu'il occupe euh, un tel poste. Mhm. maintenant, il faut constater qu'en deux semaines, la junte a quand même fait son bonhomme de chemin n'est-ce pas comme je disais, voilà, ils n'ont pas été divertis. Mhm. Ils ont installé, ils s'installent au fur et à mesure. Les défis se posent aux tout nouveaux membres du gouvernement nigérien. Ah, il y, a énormément de choses euh, à faire. Mhm. D'abord, les raisons même qu'ils ont évoquées en venant au pouvoir, n'est-ce pas Ils ont beaucoup mis en avant euh, les actes de corruption, de détournement de fonds, euh, de malgouvernance. ça, c'était quand même quoi qu'on dise, une réalité. Mhm. Il est évident que sous le président Bazoum, il euh, faut être honnête et reconnaître que euh, ça a pris un coup, que c'était sur le point de reculer. Et d'ailleurs, c'est ce que beaucoup ceux qui condamnent euh, la prise de pouvoir reprochent à la junte, mm. c'est que c'est d'être intervenu trop tardivement. et maintenant, mm. je crois que qui reste une épine dans la pied de la junte, c'est euh, la séquestration du, de l'ancien président, du président Bazoum, n'est-ce pas, encore qui n'a pas, qui, qui n'est pas encore libre de ses mhm, mouvements. Mhm. Donc ça, ça reste euh, une préoccupation et je crois qu'au plan international, c'est plus qu'une préoccupation et mhm. c'est sûr qu'aujourd'hui encore, la CDAO euh, va revenir là-dessus. protocolaires sur lesquels ils vont prendre des décisions plus tard. Donc c'est une nouvelle équipe de 21 membres assez réduite par rapport à celle de précédente qui était, je crois, de 35 Alors vous, euh, voilà, voilà. Vous, Saini, euh, euh, que pensez-vous de la composition de ce gouvernement et quelles sont vraiment les attentes vis-à-vis de ce tout nouveau gouvernement de la transition Nafisa, c'est que comme tu le dis, c'est un gouvernement vraiment restreint. Mhm, mhm. C'est Ce n'est pas un gouvernement politique, ce n'est pas un gouvernement de pactage. Ils n'ont demandé à personne qui tu proposes à mhm. tel poste. Ils se sont mis oh, ensemble. les Nigériens se sont réveillés avec une liste. Oui, euh, bien sûr. Ils n'ont pas demandé à quelqu'un, mais c'est qui tu proposes. C'est pour ça que ça ne peut pas être pléthorique. Ils ont estimé qu'avec 21 personnes, il est possible de gérer les choses. Et des civils et des militaires. Et des civils, mais bien sûr, ça ne mm. peut être que mixte. Mm-hmm, mm-hmm. Ça ne peut pas être uniquement des militaires ou uniquement des civils. Mm-hmm. Ça n'a pas de sens. Maintenant, qu'est-ce qu'on attend du gouvernement Bien évidemment, l'attente forte des Nigériens, c'est que, c'est que tout ce qui s'est passé en amont, en tout cas sous les régimes précédents, qu'on remette, qu'on mette les choses sur la table. Le problème de la malgouvernance qui a été décrit, n'est-ce pas, de corruption, détournement, injustice, favoritisme, népotisme, clanisme. question pertinente de l'insécurité. Exclusion, non, j'en arrive, mhm. n'est-ce pas Ça, les gens veulent. C'est ça qui a choqué parce qu'ils sont devenus un tas arrogants vis-à-vis des citoyens. il le, faut, ils le faisaient de manière à visage découvert. Et quand quelqu'un euh, critique, on considère que non, il n'a pas le droit de critiquer. Mm-hmm. Ils en ont fait une affaire, un patrimoine familial, quoi, un peu l'État. N'est-ce pas mm-hmm. Et ça, ça a choqué. Et c'est ça qui fait cette, euh, dit, cette mobilisation forte des populations mm-hmm. pour, saluer, pour saluer, parce qu'ils veulent voir mettre fin à ce genre de choses. Un pays, quand même, on ne peut pas se mettre dans une posture d'esclavage d'exclusion systématique de ceux qui ne sont pas avec nous. on est en démocratie. la démocratie suppose quoi C'est que je suis au pouvoir, mais je dois tenir compte de la minorité qui existe, parce mm. que la minorité aussi a des préoccupations. Je dois tenir compte d'un certain nombre de choses. Mm. La bonne gouvernance, mm. je dois mettre ça en avant. L'intérêt national. Alors, ça, ça n'a pas été fait, n'est-ce pas C'était carrément l'arrogance. La dernière fois, si vous vous rappelez, quand la Cour de compte a présenté son, rapport, même le président était j'ai poser la question mm-hmm. comment mm-hmm. quelqu'un peut accumuler des milliards dans, un pays. Mais mm-hmm. ce Mais c'est pas quand on va aller fuir, c'est que clairement C'est-à-dire que les poches. Pendant que les gens crèvent de faim. Ça, c'est le premier aspect, n'est-ce pas le deuxième aspect, le deuxième aspect de la chose, quand ils ont parlé de la lutte contre l'insécurité, contre le terrorisme, mais bien évidemment, c'est les militaires, non, ils sont sur le terrain. Mhm. C'est eux, ils ont beaucoup plus mal de ce qu'ils constataient sur le terrain, où on tuait comme des mouches des, soldats, mhm, n'est-ce pas Et de l'autre côté, la politique sécurité est dictée par un autre pays, notamment la France, qui doit dire voilà comment il faut s'y prendre vis-à-vis des djihadistes, mhm. n'est-ce pas ils avaient mal. Et quand nous nous sortons, ceux qui ont été chassés du pouvoir, on a l'habitude de les entendre. Chaque fois, c'est pour faire la comparaison. Nous, nous sommes encore meilleurs mhm. que le cas du Burkina ou le cas du Mali. Mhm. On n'a pas. Il n'y avait pas à faire ah, une comparaison. Il n'y avait pas de comparaison à faire. Un seul Nigérien qui est tué par des djihadistes, ça doit être grave. Mhm. Mais il se trouvait que non, non, non, on n'a pas à se plaindre parce que tout simplement, ils ne sont pas en train de tuer beaucoup. Alors que pratiquement, c'est la même chose. Ils étaient en train de tuer beaucoup de gens. Mhm. Il ne se passe pas une semaine, deux semaines, mhm. sans qu'on dise qu'il y a eu attentat à la mine, ou on dise qu'un village a été attaqué, mhm. ou qu'on dise qu'un village a été déplacé. Ça, alors, c'était des choses qui choquaient les gens quand de l'autre côté le pouvoir méprise ou le pouvoir on, a, on a comme l'impression qu'ils ne s'attendrissent même pas par rapport à mm, ces mm, situations-là. Mm, c'est comme si, bon, ça peut arriver. Les défis sont énormes. mais les défis, oui. Tout ça là, tout ça là. Ils vont essayer de voir comment mettre les choses en place, n'est-ce pas Certainement, et c'est ça, c'est une attente forte des Nigériens que les actes les actes se traduisent en actes. Et comment dire, dans les faits, on a besoin de justice dans ce mhm. pays. On a besoin de sanctions. Ceux qui se sont mis à s'amuser avec l'argent public, ceux qui ont compromis les ressources naturelles du pays, n'est-ce pas, qui rendent gorge. C'est ça que les Nigériens attendent. Il n'y a pas de demi-mesure. Mhm. Quand j'ai vu comment le pétrole a été géré pendant dix ans, mhm de manière exclusive. Quand l'uranium, pratiquement tous les acquis engrangés par Tanja ont été abandonnés. Mhm. Alors, c'est des questions sur lesquelles les Nigériens, ils ont, des attentes fortes vis-à-vis de la gente. Mhm. Et il n'y a pas de, comment, de sentiment ne doit pas, le sentiment ne doit pas prévaloir cette mhm. fois-ci. Il faut sévir très durement pour que ça serve d'exemple quand le, le, le, pouvoir va être remis à des civils pour que ça puisse servir d'exemple. Oui, mais Mouna, vous oui, en fait, quelque chose Oui, oui, mhm. je, voudrais juste euh, faire une doléance aussi. Mhm. parce que, Laquelle, oui la doléance, c'est par rapport au ministère euh, de la promotion de la femme, la protection de la femme. Oui, oui, parce que c'est un acquis que les femmes ont eu en, luttant, hein, mm-hmm. pour pouvoir euh, avoir leur propre ministère. Mm-hmm. je pense que peut-être que c'est ils ont omis ça, ou mm-hmm. ils ont oublié, ou bien certainement qu'ils ont quelque chose, un agenda pour euh, le ministère de la promotion de la femme. Mais ce qui est sûr, ce qui est sûr, c'est qu'on réclame, on réclame. <laughs> Moi, je suis, je, ne suis pas leur porte-parole, mais quand mhm. même, je suis quand même femme et ça me blesse aujourd'hui de savoir que mon ministère n'existe pas. On attendra vous pour voir <laughs> dans les heures à venir, peut-être que... Oui. Mhm c'est le ministère de la Culture. Oui, euh, je euh, crois que les réseaux sociaux, les artistes ont décrié cela. Voilà, en mm. fait, il n'y a pas que les artistes, euh, mm. le ministère de la Culture, ça prend beaucoup d'aspects mm-hmm, mm-hmm. en compte et je crois que c'est une omission qu'il va falloir rattraper. Mm-hmm. Il y a déjà un ministère du tourisme, ça peut aller avec. Et puis, je crois que le ministère de sport, ça sera le ministère de la jeunesse et des sports. parce que la question de l'entrepreneuriat des jeunes et tout, c'est quelque chose qu'on nous a beaucoup vendu euh, ces derniers temps mhm. et on ne saurait aussi euh, l'ignorer. Mhm. Donc voilà quoi. Voilà. Les attentes sont donc euh, énormes vis-à-vis de ce tout nouveau gouvernement et on espère qu'il soit à la hauteur. Et ce gouvernement a été mis en place à la veille du nouveau sommet extraordinaire des chefs d'État de la CDAO sur la situation politique en République du Niger. Justement, le président Bola Ahmed, président de la République du Nigeria et président en exercice des chefs d'État du gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, a convoqué un autre sommet extraordinaire de l'organisation le jeudi 10 août sur la situation politique du Niger. Les dirigeants de la CDAO examineront et discuteront de la situation donc et du développement récent au Niger lors de ce sommet. Alors je reste avec vous, Monsieur Arimi. Que pensez-vous de, la tenue de ces sommets Je crois que c'est le sommet euh, pour la CDAO vraiment euh, pour redorer un peu euh, le blason euh, je crois qu'ils se sont un peu précipités avec le premier euh, sommet. Mm. Ils ont pris des décisions mm-hmm. euh, extrêmes, n'est-ce pas, extrêmes, alors que la matière, tout le monde sait que ça doit aller par étapes, mm-hmm. n'est-ce pas, sans pour autant rencontrer même une seule fois les militaires. Mm-hmm. Ils se sont mis à prendre des décisions. Et depuis d'ailleurs plus d'une semaine, on dort dans le noir. Euh, ça, oh, ça c'est des choses vraiment sur lesquelles peut-être qu'on aura à revenir, ce mhm. qui n'est pas juste. Et les sanctions qui sont prises, j'ai vu euh, la lettre des anciens dignitaires du Niger, mhm. des anciens PM, des anciens présidents qui ont demandé à ce que ça soit allégé. Mhm. J'ai vu aussi aujourd'hui une note des, intellectuels du Nigeria qui demandent la même chose. Mhm. Les gens, euh, nos frères du Nord Nigeria demandent la même chose. Je crois que eh, il y a lieu de revenir là-dessus. Moi, je pense que le président euh, euh, est un nouveau à la tête de l'institution. Euh, a surcru à la capacité de cette institution mm-hmm. dont on sait mm-hmm. euh, depuis les affaires du Mali et du Burkina mm-hmm. qui a pris un sérieux coup et d'ailleurs depuis le président Tanja je dirais parce que je me rappelle de ces anecdotes et tout et donc vraiment euh, c'est l'occasion de se rendre à sa place initiale, c'est-à-dire que c'est une organisation communautaire qui s'occupe surtout euh, c'est la Commission économique des États de l'Afrique de l'Ouest qui mhm. s'occupe surtout de l'intégration économique d'abord. Mhm. Et nulle part, selon ceux qui connaissent les textes de ces institutions, il n'est question d'intervention militaire. C'est ce qui a le plus secoué et je crois radicalisé, les Nigériens. Euh, j'étais, moi, contre le coup d'État, mais pour rien au monde, par exemple, je le disais d'ailleurs il y a une semaine, mhm. qu'on ne peut accepter une intervention militaire dans notre pays. Aujourd'hui, mais aussi même au sein de ceux qui sont encore membres permanents, en fait, euh, avec voix et tout, qui assistent actuellement à la réunion, même en leur sein. Mhm. Beaucoup ont attiré l'attention. Il y a, voilà, il y a une, euh, comment on appelle, euh, il y, a, eu une faille mhm. et les gens ne sont pas d'accord. Mhm, et je ne pense pas d'ailleurs que le Nigeria aurait les moyens à seul à marcher sur Niamey, comme ça, au vu et au su de oh, tout le monde. Alors, ce sommet intervient euh, à la fin de l'ultimatum donné justement par la CDAO à la junte militaire. Vous, euh, Memouna, quelles sont les conclusions vraiment attendues de ce sommet Mais Les conclusions attendues, c'est ce que Armi vient de dire. ce sont des conclusions allégées mm-hmm. que <laughs> les peuples, euh, les Nigériens attendent ici. Mm-hmm, mm-hmm. Ça veut dire que tout simplement que les copies, la copie, bien les décisions doivent être revues pour alléger les souffrances Peut-être parce que là, vous ne parlez pas de sanctions. Quand vous prenez des sanctions, il faut regarder le peuple. Les sanctions que vous prenez, sachez que c'est sur les peuples, mmh, mmh, mmh. la population qui va en pâtir. Donc, dans ce cas, faites en sorte que les décisions que vous allez prendre, ça ne soit ni des décisions où les peuples ou bien les populations vont se retrouver, en tout cas, euh, à subir certaines euh, difficultés face à, aux surenchères et autres, euh, les, euh, les, cette situation, les conséquences de cette situation. Donc, il faut, on attend que vraiment ce soit des décisions raisonnables, mhm. des décisions où les deux parties, chacun de ces, chacune de ces deux parties mhm. aura peut-être le courage de venir s'asseoir sur la table et de négocier. Mhm. Mais tant qu'il n'y a pas une décision, des décisions en tout cas qui va permettre à la gente aussi de revoir peut-être certaines choses, mhm. je pense que là, on, risquerait de revenir donc à la case de départ. Parce que déjà, <laughs> déjà, on ne le souhaite pas. Mais on n'a jamais vu là où on a fait un coup d'État et, qu'on demande la réhabilitation d'un président déchu. Mhm, mhm, en tout cas, moi, je n'ai pas vu. Et les, les militaires ne vont jamais oser également en tout cas, faire un coup d'État et remettre encore, euh, <laughs> en l'espace d'une semaine, rétablir encore l'ancien président. C'est n'est pas possible. donc, donc, et, euh, et, ensuite, il faut que l'image de la CDAO, parce qu'aujourd'hui, mhm. les Africains ne croient plus à la CDAO. Mhm, mhm, pas les Africains seulement. Le monde entier ne croit plus à cette histoire de CDAO. Soit vous êtes avec l'intégration africaine, soit vous n'êtes pas avec l'intégration africaine. Mhm, mhm. Vous ne pouvez pas prendre des décisions pour dire que vous allez amener une, euh, euh, une armée, mhm, en tout cas pour réhabiliter un ancien président. Et le gros problème, si vous avez cette armée, pourquoi est-ce que, bon sang, depuis tout ce temps, depuis 2015, depuis plus de 2015 même, les pays sahéliens sont en train de souffrir du djihadisme. Mais pourquoi, bon sang, est-ce qu'ils n'ont pas réfléchi pour mettre en place les stratégies. Face, oui, oui, oui pour venir combattre ces djihadistes. Mhm. C'est ça, en fait. Ousseini, euh, tout comme vos prédécesseurs, euh, quelles sont vos attentes vis-à-vis de ce sommet du CDAO du 10 Moi, de croire à la CDAO. C'est un syndicat de chefs d'État. C'est selon vous Non, tout le monde est convaincu aujourd'hui que c'est un syndicat. <laughs> non. La, la CDAO a quitté sa vocation initiale, mhm. la vocation pour laquelle elle a été créée. Mhm. C'était pour promouvoir l'intégration économique et des peuples, n'est-ce pas la CEDAO a complètement abandonné cette mission-là pour s'occuper uniquement du sort des chefs d'État, mhm. de ses militants, n'est-ce pas Vous avez un problème chez vous alors, il y a, le prend-le-bas. Mhm. Il faut aller le sauver. Mhm. C'est cette situation, c'est à cette situation qu'on a assisté. la CEDAO a la illégale. illégale, illégitime, criminelle. Criminel, il faut dire. Mm. Toutes ces sanctions-là sont criminelles. Mm. Alors, vous voulez étouffer le peuple nigérien Alors, en quoi le peuple est responsable du coup d'État mm. Comment vous allez vous lever sans chercher même à prendre la tâche avec ceux qui ont fait l'affaire Au moins pour savoir les motivations. D'habitude, ils font des missions, plusieurs missions. Et les sanctions, c'est de manière graduelle. Comme ça, vous vous réunissez et puis vous dites, bon, on va, tout ce qu'il y a comme sanctions douloureuses, ils ont pris. N'est-ce pas fermeture de frontières, n'est-ce pas Exclusion aérienne. Mm-hmm. Et comment on appelle euh, euh, comment, Déconnexion du Niger. Mm-hmm. Tinubu, il va, il donne des instructions, on déconnecte le Niger. Mm-hmm. N'est-ce pas avec effet immédiat. Alors, imaginez. Ça, ça, signifie la grande décision, c'est d'intervenir. Euh, dit, vous dites, si d'aventure, au bout d'une semaine, la jeune ne recule pas, rétablir le président déchu dans ses fonctions, mhm. vous allez envoyer une troupe militaire pour, venir déloger les, les, putschistes et sortir le président déchu, le remettre dans son fauteuil. Mais bon diable. Ok, vous, arrivez à le faire, mhm. même si vous réussissez à le faire. Mhm. Il va diriger qui ah, il faut se poser la question, il va diriger qui mhm. Vous allez déployer vos populations pour amener au Niger Parce que Non, mais c'est un peu ça. Ça, montre, ça montre la décision, les décisions, de les sanctions de la CEDAO ont montré à la face du monde que cette institution a quitté sa vocation, a abandonné sa vocation. La vocation pour laquelle elle a été créée. Mhm. Alors, qu'est-ce que vous voulez Aujourd'hui, ils se sont réunis. C'est tout un début. Ils, ont vu, ils ont vu que les gens sont restés soudés de la jeune. Mhm. C'est ça, ils se disent, ah, vraiment. Parce qu'il y a un régime un sentiment de rejet, au-delà même de l'Afrique sur le plan. Mais je n'ai pas fini. j'ai pas euh, fini. L'Union africaine qui mhm. avait donné ultimatum de deux semaines. Mhm. L'Union africaine s'est tue. Nous passons donc au deuxième sujet de ce forum de la presse. Depuis quelques semaines, les denrées alimentaires, particulièrement le riz, connaissent une hausse, une situation qui touche à presque toutes les localités du pays. Selon notre correspondant à Malbaza, le sac du riz qui se vendait à 10 500 francs CFA est vendu aujourd'hui à 18 500 francs CFA. À Ayoru également dans la région de Tilaberi, le prix de riz a bondi de manière spectaculaire ces derniers jours. Selon notre correspondant, je vous propose d'écouter Mamoudou Koussoukoy. Il est commerçant. Il est interrogé par Abdoulaye Amadou. Je suis un vendeur de céréales et je vous affirme que je n'ai pas plus de trois sacs dans mon magasin. Avant, j'étais obligé de stocker des vivres même à la devanture de ma boutique et les couvrir avec une bâche. Ce qui montre que nous sommes beaucoup plus angoissés que nos clients face à cette situation sans précédent dont nous ignorons les causes. Personne ne comprend la variation de ces prix. La tonne de riz qui était à 314-315 000 francs CFA coûte actuellement 530 000 francs CFA. Vous voyez que les choses se sont compliquées en amont. Vous-même saviez qu'il n'y a jamais eu de rupture complète de 1000 à Ayo. Chaque mercredi, on nous livrait 3 à 4 camions de vivres. Et depuis lundi passé, c'est seulement aujourd'hui qu'un seul camion est arrivé avec quelques sacs. Si cette situation perdure sans solution, les conséquences seront plus graves et généralisées. Car si nous, les grossistes, n'en trouvons pas, comment allons-nous servir les consommateurs et vous savez que s'il ne me reste qu'un seul sac, je ne peux que les garder pour ma famille. Alors, Arimi, après écoute, quelle explication donner vraiment à cette euh, hausse euh, que vivent ces Nigériens ces derniers jours Tu sais, euh, on, a assisté à un cycle mhm. d'événements mhm. qui ont contribué à renchérir vraiment le, le coût de la vie, mhm. même en général, ah, dans notre pays. Euh, d'abord, il y a cette guerre, vraiment, ça fait bientôt fait un peu plus d'un an euh, en Ukraine, n'est-ce pas mhm. qui, a impacté, tous les pays mhm. euh, africains. mais ce n'est pas que. Parce que chez nous, on profite de toute situation pour aussi augmenter le coût euh, des marchandises. Mhm, mhm. Euh, vous avez vu, avec ce coup d'État aussi, donc on est pour quelque chose, puisque ça a euh, contribué, en fait, ça a entraîné la fermeture des mhm, frontières de part et d'autre de notre pays. Mais Je pense que ce n'est pas une raison pour les. Il y, a, ça. Avant ça, vous vous rappelez aussi que le Nigeria a fermé sa frontière pendant 18 mois, si je ne m'abuse. Donc, tous ces aspects, nous, nous restons un pays euh, vulnérable en matière de denrées euh, alimentaires, mhm. puisque nous, euh, nous ne sommes autosuffisants en, aucune, en aucun produit vivrier. Mhm. le mil, et le riz, qui sont les aliments de base des Nigériens, on importe l'essentiel. Mhm. Vous avez, on en a parlé il y a quelque temps. La seule chose qu'on exporte, c'est seulement le niébé. Et donc, ce qui fait que et nos commerçants ils n'attendent pas l'effet parce que tout ce qui est encore à l'intérieur de notre pays, mhm. par exemple celui qui est de Kolo, euh, de, de, Ayuru qui mhm. vient de parler, mhm. c'est de Niamey qu'on amène. Tout ce qui est à l'intérieur du pays a été taxé, a été importé, transporté au prix d'avant euh, le coup d'État, mm. n'est-ce pas On se rappelle que le, Niger, même a interdit l'exportation du riz il y a de cela quelques mois. On sait que c'est un, faux fuyant. On l'avait dit, c'est un faux fuyant. Ça ne peut, on n'exporte rien. Donc on ne peut pas dire aux gens qu'on n'exporte pas. C'est vrai que notre riz, euh, qui est produit dans des conditions plus ou moins bio, est prisé ailleurs, mais ce n'est pas suffisant. On mm-hmm. exporte vraiment une très petite quantité. Mm-hmm. Donc nos commerçants ne font pas attention à cet aspect de la chose. Mm, mm. Et, le contre, et le gouvernement, on l'a décrié depuis euh, plusieurs années maintenant, qu'ils mm. que ne font rien pour réguler les prix des marchandises. Au nom du libéralisme, on laisse tout le monde et ils font euh, une ils s'entendent entre pour, pour, producteurs, vendeurs mhm. de tel ou tel autre produit pour fixer un prix, ah des prix et qu'on est obligé mhm. de pratiquer, nous, les consommateurs. Mhm. Donc, et ça, il y a des années, je me rappelle bien, il y avait le contrôle de prix. Mhm. Je me rappelle, quand ils rentrent au marché, il y en a beaucoup qui ferment parce qu'ils ne respectaient pas ce prix-là. La, responsabilité revient à nos autorités. Oh, bien sûr, bien mhm. sûr, et rien n'a été fait. Mais aussi, dans les pays de la sous-région, mhm. dans les pays de la sous-région, il y a eu des actions euh, pour justement juguler un peu ce, rachérissement-là. Au Bénin, en Côte d'Ivoire, euh, ils ont impacté, ils ont entraîné, euh, ils ont fait en sorte que le prix a été du, riz notamment mm-hmm. a mm-hmm. été mm-hmm. cassé et maintenu à un certain niveau euh, grâce à des subventions, mais grâce aussi au fait que l'État a tapé euh, sur la table pour dire aux commerçants, chez nous, ça n'a jamais été le cas. Mhm. Et c'est pourquoi souvent on accuse que bon, le commerçant, il a donné son argent pour euh, la campagne, il veut récupérer, on le mhm. laisse faire. C'est un peu Voilà, mhm. c'est voilà, ce qu'on dit. Et euh, du, coup, tout a augmenté le prix. Il n'y a pas que le, riz, il y a le mil, il y a le maïs, il y a l'huile. Euh, ok, et même les fruits, n'est-ce pas Qui en a plus que jamais, qu'on trouve partout mais le, le, kilo de la banane qui est passé à 800 francs, ainsi de suite. Donc, c'est tout est cher. Le logo tout est monté à un, tel niveau que vraiment, euh, je pense que le CNSP mhm. va prendre toutes les dispositions pour... Euh, là, ça a un peu arrêté parce que le lendemain, du coup, déjà, du coup d'État, déjà le prix a augmenté. Là, ça s'est un peu maintenu, mais je me rends compte qu'à l'intérieur du pays, ce n'est pas le cas. et ça, c'est un mhm. aspect important. Mhm, mhm. C'est ce que Hussein disait tout à l'heure. Les gens meurent de faim. Parce que une, quel père de famille peut se permettre à 18 000 francs le sac, de, 25 kilos obligatoirement, c'est le nombre de rations alimentaires par jour qu'il va diminuer pour ses enfants. Est-ce qu'il a le choix qui ne s'explique pas, Memouna, cela impactera négativement sur la vie des citoyens oui, mais nécessairement, Nafisa. Mhm, mhm. Et puis, euh, on, a déjà vécu cette situation. Vous avez déjà fait le constat ah, sur le terrain Oui, sur le terrain. Et le gros problème, c'est que les commerçants nigériens, excusez-moi de le dire, mais même si les frontières n'étaient pas fermées, mhm. on, allait arriver à cela. Vous allez Parce que quand, quand, oui, quand on regarde, pour euh, le mois de carême, le mois de jeûne, on a, c'était des occasions aussi mm, mm, où mm. ils, ils, ont augmenté alors qu'il n'y avait pas de raison d'augmenter. Donc maintenant, ils sont tapis dans l'ombre. Ils pensent que maintenant c'est le moment oui, de rehausser les prix pour pouvoir avoir un, chiffre d'affaires. C'est ça leur problème. Et aujourd'hui, on, est dans on est dans le besoin. Le Nigérien est dans le besoin. Le Nigérien a besoin aujourd'hui de solidarité. Et je pense que avant même que la veille, la veille même qu'on ne constate l'augmentation de, ces prix, mhm. la junte, ah les, militaires ont eu à rencontrer les, opérateurs, économiques. et je suis sûr qu'il en a discuté de comment est-ce que les deux devront faire, en tout cas, pour pouvoir améliorer, ne serait-ce que garder quelques mois pour que les Nigériens puissent ne pas sentir la fermeture de ces frontières-là. Mhm, mhm, Parce que c'est les anciens stocks c'est les anciens stocks qui sont passés de 10 500 pour le sac de riz à aujourd'hui 13 000, 14 000, 15 000, jusqu'à 18 000. Je viens d'écouter de, de, Rien, ah, en tout cas, rien, rien ne justifie l'augmentation de cette hausse vertigineuse que mm-hmm. nous sommes en train de voir sur le marché mm-hmm, mm-hmm. concernant le riz, les céréales et également concernant l'huile. Il faut d'abord se résigner. Il fallait attendre au moins voire ne serait-ce qu'un mois après, ce que ça va donner, mhm. la situation du Niger. Mais là, comme on a l'habitude de se taire, les, dirigeants ont l'habitude de se taire sur ce que le commerçant est en train de faire. Mhm. Donc voilà, c'est une occasion aussi. Il faut donc il faut aussi sanctionner peut-être. C'est ça que je suis en train de mhm. dire. On l'a toujours décrié. Sanctionner ou bien mettre euh, euh, un comité qui va contrôler les prix. C'est ça aussi. Parce que tant que vous, tant qu'on reste, on regarde c'est le pauvre Nigérien qui va encore souffrir de cette situation-là, mm-hmm, mm-hmm. pendant que d'autres se frottent les mains pour se faire des, chiffres d'affaires, parce que ça, c'est une honte. Mm-hmm. Quand tu viens chez un commerçant et tu sais que c'est l'ancien stock qu'il est en train de vendre à 15 000, 18 000, tu lui demandes c'est quoi, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui il vend le sac à 15 000, <laughs> il va te dire non, non, tu n'as pas entendu que la, les, frontières, les frontières sont fermées. Non, <laughs> rien, ne justifie, cette hausse de prix. Alors vous, euh, Monsieur Ousseini, euh, on sait que déjà fin juillet, comme le disait Memouna, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, euh, a rencontré les opérateurs économiques regroupés au sein de la Chambre de commerce et d'industrie du Niger. Alors que doit-on attendre de ces derniers vraiment pour qu'est-ce qu'ils pourraient apporter pour faire face à cette hausse des prix si elle pouvait apporter quelque chose, on n'aurait pas, dû, pas dû assister à cette hausse-là. Mm, mm, mm. C'est une hausse vertigineuse. Ils ont rencontré, ils ont pris des engagements qui vont assurer l'approvisionnement. Mm-hmm. Ils ont pris des engagements qui vont contenir les prix. <laughs> mais, malheureusement, ça ne se pas. mais alors, ça veut dire que entre ce que les gens vont aller dire quand, ils sont quand on les rencontre et ce qui se passe sur le terrain, mm-hmm. c'est deux choses complètement différent. Alors eh, comment sortir de cette situation Comment sortir de cette situation Si tu as de l'argent, tu peux accéder à la nourriture. Déjà, les <laughs> Nigériens s'approvisionnent. Mais non, non le <laughs> problème, le problème c'est la défense de l'État. Mm. Moi, je dis quelque mm. part, c'est la défense ou mm. c'est l'abandon des citoyens à leur propre sort par l'État. Quand Arimi a commencé à citer, avant la guerre de l'Ukraine, il y a eu le Covid. Oui, oui. Il y avait ce Covid là entraîné, euh, euh, comme avait dit un machin, un surenchèrement, euh, une surenchère. Quand ça monte, ça ne descend pas. Ensuite, il maintient, alors, il maintient alors, le prix. Quand, quand, quand les gens, quand le les gens, est passé de 10 de, 11 000 à 10 000. Non, non, quand ça vient à 11 000, ça quelles que soient les facilités, ça ne descend pas. Ça augmente. alors. Un ah. œuf qui se vendait à 100 francs aujourd'hui, c'est à, 125, <laughs> jusqu'à présent, ce n'est pas encore revenu à 100 francs. que les citoyens sont laissés, comment dire, à eux-mêmes, mhm, mhm. où tu peux, où tu ne peux pas. Mhm. L'ancien ministre, qui, la, quand il y avait eu les, les, comment on appelle ça, je l'ai entendu dire que c'est la loi du marché, de l'offre et de la demande, n'est-ce pas pour justifier un peu euh, la, comment le, le renchérissement du coût de la vie, que c'est l'offre et la demande, n'est-ce pas Aujourd'hui, Déjà, gens réalisent parce que le niveau de vie, ou du moins les revenus des populations n'augmentent pas. Mhm. Mais de l'autre côté, les, produits. Mais qui doit faire la régulation C'est bien l'État. C'est pas quelqu'un d'autre. Le consommateur, lui, il est, obligé. il est obligé. Il est obligé d'aller de, acheter à manger. Mhm. Si on vous dit ce que vous avez l'habitude d'acheter à 50 francs, on dit ça a passé à 50. Alors, vous en avez besoin, vous l'achetez par n'importe quel moyen, mhm. ou vous n'avez pas les moyens, vous renoncez carrément à ça. Mhm. Ça veut dire qu'il y a un abandon. Moi, je vais dire, mhm. comment faire Il n'y a rien à faire, il faut que l'État créer les conditions pour pouvoir amener les commerçants, y compris en, créant les conditions de retour des de, de, dispositifs de contrôle, le système, mhm. le, mécanisme de contrôle, pour pouvoir sanctionner les commerçants on Le souhaite, on le bah, souhaite vraiment pour sortir. Que, euh, je pense qu'après, mm. euh, quand ils auront fini leur nomination et tout, Peut-être qu'ils vont s'atteler à ça. Mhm. Merci bien, euh, merci bien. Nous allons marquer une petite pause avant de poursuivre. you. Dernier sujet du forum de la presse le lundi 7 août 2023 sur toute l'étendue du territoire national. Les candidats de la série D du baccalauréat session 2023 ont repris l'épreuve de mathématiques, une reprise décidée en conseil de ministre le 6 juillet dernier. Elle consistait à reprendre ce sujet de mathématiques suite à des erreurs graves décelées de la formulation de cette discipline. Et ce sont 26 956 candidats de la série D admis comme refusés répartis dans 114 centres d'examen dont 21 à Niamey, qui ont repris cette épreuve de mathématiques. Et des résultats ont commencé déjà à sortir. Avez-vous déjà connaissance de certains résultats, Arimi Non, euh, j'ai vu des enfants qui disaient qu'ils allaient voir leurs résultats mhm. euh, aujourd'hui. Je n'ai mhm. pas eu connaissance, mhm. mais il semblerait que c'est déjà mieux. Euh, bon, il faut rappeler que... sinon, de par nos constats, les résultats sont certains sont satisfaisants, oui. Euh, les candidats, certains admis même, euh, qui ont repris euh, cette épreuve, ont pu améliorer leurs résultats après cette reprise. C'est un peu satisfaisant. Il faut noter que c'est le, premier exercice quand même de la junte. Euh, on n'a pas eu besoin de Alcia. On n'a pas eu on en tout cas moi j'ai pas eu euh, j'ai pas été au courant qu'il y ait eu des mhm, fuites. Mhm, mhm, N'est-ce pas tranquillement les Nigériens ont, voilà, ça c'est déjà quelque chose d'important. Mais euh, et puis ils ont amené tout le monde à reprendre. Et maintenant après avoir repris, on compare la note de de, la première note et celle-là, on prend la meilleure. Moi je pense que c'est euh, les enfants ont été placés dans, leurs droits. Mhm. Et certainement, euh, ceux qui sont admis à l'écrit euh, beaucoup vont passer, mhm. vont avoir de la mention mhm, mhm, parce que bon, ils ont eu de 1, de 2, de 3 et là ils vont avoir au moins 10 et peut-être plus. Ça c'est d'abord pour avoir la mention et après il y en a qui n'étaient pas admis. Bon, malheureusement, ceux qui n'étaient pas admis tant que la nouvelle note ne leur permet pas d'admettre euh, directement au premier groupe, bon, ils sont recalés jusqu'à l'année prochaine, quoi. Mais je pense que c'est vraiment ce n'est que justice. C'est une très bonne chose quand on sait qu'on a fait tort à un groupe de mhm. Nigériens, c'est mhm. bien de, rattraper. Et ça, c'est fait par l'ancien euh, gouvernement. Et ce gouvernement l'a maintenu. Je pense que c'est aussi ça la continuité. Alors vous, même quels sont vos souhaits pour ces nouveaux euh, admis euh, qui ont amélioré leurs résultats et qui vont vers des études supérieures et universitaires rapidement ah, C'est déjà bien. C'est déjà bien qu'ils ils ont pu, en tout cas, faire l'examen, reprendre l'examen là de, mathématiques mhm. et que ça a amélioré les résultats. à leur niveau. Mm-hmm. Maintenant, on leur souhaite bon vent et que certainement qu'ils vont en, tout cas s'améliorer davantage mhm, mhm. parce que c'est un parcours qui, reste encore à franchir. Voilà, les études supérieures, c'est <laughs> hein. maintenant que ça commence même. C'est maintenant que ça commence. les erreurs décelées dans ces épreuves ont été décriées par bon nombre de personnes. Alors vous, que recommandez-vous aux nouvelles autorités euh, pour que les prochains examens euh, à venir soient organisés dans la transparence vous savez, et, c'est que le problème de ce pays, c'est qu'il n'y a pas un secteur qui n'est pas gangréné par la corruption, mm-hmm. par des mauvaises pratiques, mm-hmm. par l'incompétence et tout et tout. Malheureusement. N'est-ce pas mm-hmm. Il faut qu'on crée les conditions, désormais, qu'on crée les conditions pour pouvoir lutter véritablement contre ces, fléaux-là. N'est-ce pas L'école est gangrénée. Ça dit, tout est affaire d'argent. N'est-ce pas C'est ça qui nous a amenés là. À l'époque, on faisait les examens, ça ne suscitait aucun bruit les gens vont, on ne parle même pas de fuite ou de ceci, cela. Mm, mm, mm, Aujourd'hui, chaque année, il faut jusqu'à ce qu'on mette une institution qui est chargée normalement de traquer les délinquants, délinquants à col blanc, qui s'occupe, qui descend jusqu'à ce niveau-là pour aller vérifier des examens. Quand c'est concours, c'est fraude. Quand c'est, comment on appelle ces fraudes il faut qu'on puisse mettre fin à ça, mhm. n'est-ce pas Et créer les conditions pour que les gens, ils comptent sur eux-mêmes, mhm. c'est-à-dire que ce soit les étudiants, que ce soit les travailleurs, mais que de compter sur les mamelles forcément de l'État. Si vous regardez un peu une chose, moi, c'est ça que je suis en train de dire, on est dans une euh, période d'observance de la N'est-ce pas Ça dit créer les conditions. On voit tout le monde qui s'agite là. Mm-hmm. Il y en a qui. les prochains jours nous, diront beaucoup plus. alors, qui s'agit parce qu'ils s'attendent à des nominations de mm-hmm. Comme le disent les Américains, Alors. Et c'est ici que se referme à ce numéro du Forum de la presse de ce vendredi 11 août 2023. Merci donc à nos invités, Memouna Diado, journaliste indépendante, à Arimi Abouchari, journaliste à la radio alternative, et Hussein Issa, journaliste indépendant. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas le rendez-vous du week-end avec l'actu des jeunes suivi de tous à la FADA à partir de 17h et les forums en Hausa et Zarma à partir de 18h15. La technique est assurée par Amina Hassan, la régie vidéo, C'est Issaka, Je suis depuis Adam Sirfa la modération. Très bon week-end à tous.